et auditrice du studio Kalangu, bonjour. On kiffe trop ces instants privilégiés avec vous du lundi au vendredi à partir de 11h sur les ondes de nos médias partenaires. Au micro, c'est Rabia Mekano et à mes côtés, Maria Madé. Comment vas-tu ce matin? Tranquille bébé et toi Ça va super bien. Alors de quoi nous parler aujourd'hui Mariam, comme ben, d'hab, nous débutons cette édition avec le flash d'information et comme invité aujourd'hui, nous recevons Saminou Cheibou Rachid, un jeune étudiant en administration et gestion des organisations qui depuis son jeune âge évolue dans le bénévolat. Dans ce numéro du Niger sur Kalangou, nous ferons un tour à Agadez pour faire un zoom sur les actions de bienfaisance d'une association de jeunes au profit des malades en hospitalisation. Et eh oui, Bibi, sans oublier les sports avec notre chroniqueur sportif Adam Saïrou, le loti des femmes du studio Kalangu et les messages des auditeurs. L'édition attirée par notre dame de fer Adam Adawaki et la technique par Kader Chambiano on débute cette émission avec les flashs d'information avec Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Maria. Bonjour. Et bonjour Rabi. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce flash d'information. Au lendemain de l'attaque qui a visé un convoi militaire et inquiété le site orifère de Tabarkata et à destination d'Agadez, le parquet du tribunal d'instance d'Agadez a annoncé dans un communiqué le 10 avril 2023 qu'un individu mal intentionné a relayé un audio sur les réseaux sociaux dans lequel sont tenus des propos mensongers de nature à troubler l'ordre public et surtout à porter atteinte à l'honneur d'une institution de la République. Selon Actu Niger, l'auteur de cet audio est présentement recherché pour répondre de son acte conformément à la loi sur la cybercriminalité, a précisé le parquet. Ensuite, le dimanche, des hommes armés ont pris pour cible des familles d'éleveurs stationnant dans un couloir de passage entre les villages de Dantaro et Ganrigao, commune de Gabi, département de Madarumfa, région de Maradi. Ces bandits ont emporté du bétail dont le nombre n'est pas encore évalué, rapporte le souffle de Maradi. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par la population, se sont lancées à la poursuite des assaillants et jusqu'à ce matin, les animaux n'ont pas pu être récupérés. Par ailleurs, les, des hippopotames ont été trouvés morts ces derniers jours sur le fleuve au carré Gourou de la commune 5. Cette situation inquiète les riverains qui affirment ne pas connaître les raisons de cette mort de ces pachydermes. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de ce soir. Merci, Merci bien, Merci à vous également. À bientôt. Comme annoncé en début d'émission, nous sommes dans ce studio avec Saminou Cheibou Rachid. C'est un étudiant qui consacre son temps libre aux actions sociales en tant que bénévole depuis l'école primaire. Bonjour Abdel Rachid. Bonjour, comment allez-vous Ça va, vous allez bien ah, Très bien, Super, merci d'être avec nous ce matin. Mais avant de découvrir votre parcours dans le bénévolat, écoutons d'abord les conseils du prédicateur sur le ramadan. En effet, Bibi, le mois de ramadan est considéré par les fidèles musulmans comme étant le mois de multiplication des actes irrogatoires et c'est pour absoudre ses péchés. À propos, le prédicateur Oustaz Haladou Yahaya rappelle le mérite des prières surérogatoires comme le Tarawi, appelé Nafila. Il est au micro de Ali Tajissir Ahmed. La prière de Tarawih, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, les surrogatoires, c'est très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant qu'un fidèle va s'atteler à accomplir des œuvres surrogatoires, Allah finira par l'aimer. Il va le mentionner auprès des anges et l'ange va se lever, il va le mentionner. Et le jour du jugement dernier, l'œuvre qui sera examinée la première, ce serait la prière. Si elle est bonne, alhamdulillah. Sinon, on regarde dans les prières surrogatoires. Le prophète Mohammed sallallahu a dit par rapport à la prière de nuit, c'est lui qui prie avec foi et dans l'espoir d'avoir les récompenses de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés et celui qui accomplit la prière de travail derrière l'imam jusqu'à la fin, c'est comme s'il aura prié toute la nuit. Retour euh, au studio avec notre invité du jour. Abdourachid, c'est quoi vraiment le bénévolat et comment ça marche Bon, bien évidemment, le bénévolat, c'est le fait d'accomplir euh, des actions humanitaires. Donc, à volonté, à ne pas pouvoir attendre quelque chose en retour. Je sais comment je peux définir. Ok. Et euh, comment ça marche ça marche. Euh, ça peut, ça marche dans en volonté de la personne. Parce que le fait même de pouvoir aider, assister une personne, c'est déjà le fait de, le fait de faire une action humanitaire. Et aussi, euh, ça marche avec des associations et des organisations non gouvernementales. Et aussi, personnellement, la personne aussi peut pouvoir s'acquitter à pouvoir le faire. Ok. Donc, et euh, revenant à vous personnellement, qu'est-ce qui vous a donné l'amour de ce genre d'action et par quoi vous avez commencé Oui, déjà, ce qui m'a donné là, moi, je, peux dire que je suis natif de ça. Donc, euh, vraiment, euh, on a reçu cette éducation à la maison, le fait de pouvoir assister vraiment une personne en cas de, de besoin. Donc, il y a aussi, quand nous étions à l'école, il euh, y a aussi euh, une, une, une, maîtresse qui nous, qui nous initie à pouvoir faire, vraiment faire les actions humanitaires. Et moi, ce qui me motive, le fait vraiment, ce qui me motive, c'est le fait de pouvoir aider et voir le sourire euh, du prochain. C'est surtout ça, moi, qui me motive à pouvoir le faire. Vous avez commencé en quelle classe J'avais commencé le bénévolat en classe du cm En classe de cm Quand j'avais 13 ans, 14 ans, comme ça. Et c'était quoi comme action Qu'est-ce que vous avez fait le... Et déjà, savez, donc à l'école, tout le monde vient. L'éducation diffère et aussi les moyens financiers diffèrent. Donc euh, j'ai été le responsable de la, le, responsable de la classe. Donc j'ai un ami qui lui, je suis un peu plus financièrement aisé que lui. Donc on me donne un truc de 300, francs, je crois, lui on lui donne 100 francs. Donc si nous partons au niveau de la réclamation, il se limite uniquement à pouvoir acheter quelque chose. Moi je je, je je m'abuse de l'argent pour acheter. Donc, euh, je l'ai vraiment demandé là, qu'est-ce qui va pas Donc, il me dit que voilà, voilà. Et j'ai acheté, on manger ensemble. Depuis ce jour-là, on mangeait ensemble. Et euh, à la découverte de notre maîtresse, elle a vu ce que moi je fais et elle m'a vraiment appuyé. Elle disait que oui, c'est vraiment, c'est euh, vraiment une action louable de continuer à le faire et aussi quel que soit mon âge aussi, de continuer à pouvoir assister les gens. Ok, donc les autres de la classe, ils ont commencé à ont faire commencé, Ils ont commencé parce que ils ont, j'avais même reçu un prix pour ça à la fin de l'année. Ah ouais Donc, euh, d'un autre côté, j'ai été un modèle pour eux. Donc, c'est vraiment ça qui me marque et c'est vraiment ça qui m'anime à pouvoir toujours le faire. Ok, mais est-ce qu'on peut y adhérer à tout âge Expliquez-nous comment, euh, surtout avec vous, est-ce que ce sont les institutions, organisations qui font appel à vous ou c'est les bénévoles même qui, partent vers eux Donc voilà, relativement à l'âge, donc on peut dire que dès que la personne commence à pouvoir connaître le bien et le mal, je peut dire qu'il a droit pour ne pas dire une obligation à le faire. Donc relativement aussi à, à, les institutions, personnellement moi c'est moi qui étais parti vers les institutions parce que nous en tant que bon bien que d'autres aussi font appel, mais quand même dans le cadre vraiment légal et dans le cadre euh, instructif de, pouvoir vraiment euh, dans le cadre de pouvoir vraiment assister, c'est les gens qui partent vers euh, les organisations pour pouvoir mener des actions humanitaires. Hmm. C'est comme ça. Alors Rachid, quel type de service offrez-vous en tant que bénévole euh, les types les types de services que moi j'offre en tant que bénévole, déjà j'assiste les nécessiteux, j'appuie aussi les euh, les démunis et aussi nous aidons dans le cadre social. Ok. C'est plus physique, les activités, c'est des constructions de maisons, c'est quoi Qu'est-ce que vous faites C'est des récoltes de dents, exactement, c'est quoi comme action Nous faisons plusieurs activités. Donc, euh, je peux prendre un peu l'exemple de trois activités. La l'une des activités, c'est de pouvoir faire euh, une salubrité. Une salubrité dans un lieu de culte ou bien dans un lieu de, un lieu de culte qui peut-être qui est un peu délaissé. Qu'aujourd'hui, que la mairie ne peut pas coiffer toute la ville, mais que nous, en tant que bénévoles, c'est que nous, nous pouvions assister. Donc aussi, il y a un autre cadre, c'est le cas d'assister les orphelins, à pouvoir vraiment l'ancienne euh, lancer une affiche de requête dedans quel qu'on soit euh, du don de vivre et financier, aussi euh, on, programme ça dans une journée et on dit de on va partir faire euh, la donation et on profite de, jouer avec les orphelins, de manger avec eux. Et aussi dans notre cadre aussi, pas dans le cadre sportif, et aussi assister dans des soins et dans des dans les hôpitaux et tout. Et est-ce vraiment désintéressé, comme on l'a toujours dit, ou attendez-vous une contrepartie quelque part, afin, selon les situations non, donc le, bénévolat, déjà pour, pour le faire, il faudrait que la personne ait un état d'esprit qui est différent d'avoir de l'argent. Le bénévolat, c'est lui qui donne. Donc euh, nous, on le fait uniquement pour assister parce que nous, on a, on a l'amour de le faire. Donc on n'attend pas vraiment quelque chose à retour ou dire que c'est vraiment pas des choses. C'est vraiment des actions louables qui on nous appelle le tout ici, on nous, on nous félicite vraiment, ce que nous faisons, vraiment c'est bon, c'est déjà bon. Donc de notre partie, nous assistons aussi, nous aidons aussi l'État de notre côté à pouvoir vraiment accomplir la mission qu'elle s'est donnée. Ok. Bah, merci pour ces précisions. Mais avant de continuer notre entretien, nous proposons d'abord à nos auditeurs des conseils diététiques avec un nutritionniste. Tu sais, Mariam, le mois de Ramadan coïncide cette année avec une période de forte chaleur, ce qui impacte considérablement l'hydratation de l'organisme. Oui, Pipi, de ce fait, la consommation de certains aliments et boissons est recommandée pour une meilleure hydratation, explique le nutritionniste Abdelrazak Bello des propos recueillis par Rukayeto Abderrahman habituellement, on a besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour. Maintenant, pour avoir ces 2 à 3 litres d'eau par jour, euh, comme on est en période de ramadan et que nos activités sont essentiellement nocturnes, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre de grandes quantités d'emblée. Au lieu de prendre un litre d'eau sur place, donc on prendra par, par exemple un verre toutes les 30 minutes. Donc ça va permettre de mieux hydrater l'organisme. Autre élément qui est extrêmement important, c'est la consommation des, des, fruits et légumes. La première raison parce que les fruits et légumes sont riches en, en vitamines et en sels minéraux. Et ces vitamines et ces sels minéraux sont favorables notamment à une meilleure hydratation de l'organisme. Le deuxième élément qui explique l'importance des fruits et légumes, c'est vraiment lié à la forte teneur en eau de ces, de ces aliments. Généralement, vous avez autour de 80 à 90%, sinon plus d'eau. Vraiment, c'est à consommer en bonne quantité au moment de la rupture. Toujours pour mieux gérer son hydratation, ce qu'il faudrait vraiment éviter ou modérer, la première chose, c'est notamment les excitants. Habituellement, lorsqu'on prend des excitants, on a tendance à émettre des urines et c'est pour cette raison qu'on dit que le, généralement le thé et a des vertus diurétiques favorisent l'élimination des urines. En temps normal, c'est plutôt un avantage, mais pendant le mois de Ramadan ou lorsque nous perdons de l'eau, il ne nous est pas possible de, remplacer cette eau. Donc, du coup, ça peut favoriser la déshydratation. Également, d'autres éléments qu'il faudrait éviter pendant le mois de Ramadan, les aliments qui généralement renforcent la soif, parmi lesquels les aliments qui contiennent de, l'arachide. Et c'est pour cette raison il faudrait modérer la consommation de ces, de ces aliments-là. Les boissons sucrées, il faudrait les, il faudrait les modérer parce que quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, ça désaltère à un moment, mais les conséquences de ces boissons sucrées, c'est que lorsque vous consommez beaucoup de boissons sucrées, notamment la nuit, ça peut avoir une répercussion sur votre hydratation dans la journée qui va entraîner des vertiges. Merci bien, Rocky. Euh, merci, docteur. Poursuivons notre entretien avec Saminou Abdourachid, jeune étudiant qui partage son long parcours dans le bénévolat avec nous. Abdourachid, comment arrivez-vous à concilier le bénévolat, vos études et votre vie sociale Parce que vous êtes également un membre de l'association Abdaïesso qui œuvre en faveur des jeunes en milieu défavorisé. Comment arrivez-vous à concilier tout ça déjà, comme je lui ai dire, le là, vraiment, c'est pas, c'est plus une passion. Donc, c'est un devoir, c'est une obligation pour moi de pouvoir le faire. Donc, euh, pour moi, le fait de, réconcilier les études et aussi euh, la vie associative, c'est pas vraiment un problème pour moi. Parce que la majorité des activités comme programme parce que, euh, sont dans les week-ends. Parce que les membres même de l'association, la majorité d'autres travaillent, d'autres aussi étudient comme moi mais quand même, si c'est pas une activité qui est peut-être euh, fériée, ça serait un peu difficile de pouvoir programmer les activités en plein jour, euh, en plein, en plein, en semaine. Mais quand même, les activités, on les fait dans les week-ends. Donc les week-ends aussi, quelle que soit la chose, on s'arrange pour pouvoir vraiment à ce que nous assistons. Maintenant, il est même arrivé à un certain moment où là où je suis, si je suis à une activité, on sait que c'est vraiment c'est un cas grave tellement qu'on est assidu et voilà, on est, ponctuel. Donc c'est vraiment pas un problème pour moi à pouvoir le gérer. Ok. Ben, après une action comme ça ou euh, en contact avec des populations, après comment comment ils réagissent quand vous êtes là Comment ils, ils perçoivent ce que vous faites Vous arrivez à sentir euh, le bien que vous faites aux gens Très bien même, parce que tu le sens en toi. Parce que c'est quoi, le fait de, devenir venir, on a déjà, on les a déjà impactés et le fait aussi de, de collaborer avec eux, de leur donner ce qu'ils ont besoin, vraiment ça donne une sensation qui, qui, qui, qui, qui est vraiment au fond du cœur que tu ne peux même pas exprimer. Tu vois que tu as aidé une personne et vraiment, même si tu es en cours de route, il va t'arrêter. Même si tu as oublié la, chose que tu l'as fait pour le bien, il va te dire que c'est toi qui m'as fait ceci, c'est toi qui m'as fait cela. Ça nous arrive à plein de fois. Et vraiment, on voit que c'est vraiment une très bonne chose. Et c'est vraiment Ça fait chaud au cœur. Ça fait on le dit. <laughs> Alors, euh, qu'est-ce qui vous a toujours motivé dans les bénévolats Donc voilà, le, voilà, le bénévolat, c'est c'est déjà euh, ce qui me qui me motive c'est de pouvoir assister les gens et c'est de vouloir vouloir aussi impacter et vraiment aider à assister les gens qui, sont dans, la situation Alors selon vous les jeunes s'intéressent aujourd'hui aux actions des bénévolats Oui, oui, les gens s'intéressent, mais quand même, il y a toujours des jeunes qui n'y croient pas. Mais aujourd'hui, on peut dire, y qu'une une association qui, déjà a réussi, je ne me trompe pas, elle, comporte plus de 100 et quelques jeunes. Et aussi, si, on compte les, les, les, les, les, les les, les scouts, c'est tout un panoplie de jeunes qui sont heureux de bas âge, on, va, on verra de, on voit de l'âge qui, qui, qui, varie. Donc vraiment, on dit que tout à coup, les jeunes sont dit que peut-être d'un de notre part, il faudrait aussi faire la, vie, la, vie, la, vie, la vie humanitaire. Vraiment, pour moi, je vois que les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la vie humanitaire. Alors, quelle est la portée des actions des bénévoles ici au Niger Bon, déjà, la portée, c'est c'est, le bénévole, c'est déjà, être bénévole, c'est déjà fier. Donc la partie qui, qui, que la personne peut pouvoir donner, c'est déjà euh, un apport social. d'une autre part, si on peut dire que oui, le fait même d'être, de pouvoir faire les actions, ça y va à l'encontre de soi et ça y va aussi à assister les gens. Et ça y va même déjà le, le bénévole, pas dans le cadre de se connaître soi-même. Te met en épreuve t'enseigne et aussi fait connaître tes passions et fait connaître qui tu es en réalité. Abdelrachid, vous avez un message particulier à l'endroit des jeunes qui nous écoutent en ce moment Oui, pour moi, oui. En tant que jeune, j'ai toujours un message à leur dire. Donc, en tant que jeune, vraiment, on a euh, le devoir, pour ne pas dire l'obligation, à pouvoir vraiment s'intéresser euh, à la vie humanitaire. Parce que si tout le monde s'intéresse, on n'aura pas vraiment beaucoup plus de, de nécessités des démunis de la société. Donc vraiment, en tant que jeune, mes frères et sœurs, on devrait, c'est nécessaire vraiment à pouvoir s'intéresser à la vie des bénévoles. Et il le faut. Ok. Mais bon, là, une toute dernière. Est-ce que euh, vous avez l'ambition de créer un projet, une organisation plus tard Ou c'est déjà en place qui, cadre le domaine du bénévolat, oui. oui. Euh, mhm une institution a été déjà créée depuis euh, août 2020 que j'avais créé, que j'avais à RJM, Association pour la Renaissance de la Jeunesse Meilleure, mais qui, euh, à, ce stade-là, on est très jeune. On a du mal à pouvoir vraiment manager bien les choses. Et on s'est dit que oui, pourquoi pas ne pas l'égarer un peu pour pouvoir avoir vraiment de l'expérience. Parce que à ce stade-là, c'est, euh, on n'étudie pas et tout. Mais on avait compris que d'une autre part, le bénévolat aussi nécessite des fonds de, de, et des fonds aussi. En tant que des jeunes, on, vient, on donne à la caissière. Donc bon, si elle a des problèmes d'argent, elle mange. Donc nous, on peut pas dire que... <laughs> ah, pas <laughs> toujours, elle est motivée, mais on s'est dit que oui, d'une autre part, il faudrait que nous soyons déjà quelqu'un, des gens qui sont dépendants financièrement, à pouvoir vraiment financer euh, volontairement nos actions. Donc de là, on verra que vraiment, on, on fait des actions. Mais oui, la, situation elle est en place, mais on avait un peu calé les activités. Mais Inch'Allah, très bientôt, on va réunir. Ok, ben, merci euh, Saminou Rachid. On vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage dans ce que vous faites et on se dit à très bientôt pour euh, d'autres questions. Oui, merci, pourquoi pas. Voilà. Chers auditeurs, voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit avec la rubrique hebdomadaire santé. Et eh oui bébé, aujourd'hui on va parler de la rougeole qui est une maladie dangereuse et contagieuse. Selon les médecins, ce sont surtout les nourrissons et les personnes âgées qui sont les plus vulnérables à cette maladie. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec Dr Abdourachid Issaka. Il est au micro de Habiba Ahmed. La rougeole est une infection virale donc très grave et très contagieuse. Donc elle est très grave surtout pour les nourrissons et les personnes du troisième âge. Donc c'est une pathologie qui constitue eh, l'une des principales causes de décès infantile. Donc avant l'avènement eh, du vaccin, et eh, donc le vaccin a été introduit en 1963, donc euh, bien avant l'introduction de ce vaccin. Donc selon une étude menée par Santé publique France, 2,6 millions de décès ont été occasionnés par cette maladie par an avant l'introduction du vaccin. Quels sont les premiers signes Les premiers signes se manifestent vers le dixième ou le 14e jour après le premier contact. Donc euh, l'incubation dure entre 10 à 14 jours. Après cette phase d'incubation, donc les premiers signes que l'on peut rencontrer sont le plus souvent une toux, une toux qui est sèche avec euh, un écoulement nasal, des yeux qui sont enflammés, donc euh, qu'on appelle une conjonctivite. Il y a aussi les maux de gorge, une fièvre et la peau qui devient rouge donc, euh, aussi couverte de taches. Comment se fait la contagion c'est une maladie, comme nous l'avons dit tantôt, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Euh, elle se propage lorsque les malades toussent ou éternuent. Et donc lorsqu'ils toussent ou ils, éternuent, ils émettent des gouttelettes qu'on appelle les gouttelettes de flux. Donc c'est lorsqu'une personne saine, qui n'est pas atteinte de la maladie, rentre en contact avec ces gouttelettes et donc, euh, la personne peut contracter la maladie. Donc, euh, les gouttelettes de fluge sont des sécrétions nasales ou laryngées. Donc, euh, lorsqu'une personne est atteinte de rougeole, elle peut être contagieuse pendant 4 jours. Et maintenant, lorsque la personne émet ses gouttelettes de fluge et que ces gouttelettes se déposent sur, par exemple, une table, donc ces gouttelettes peuvent contaminer cette surface, cette table, pendant les deux heures qui suivent. Donc, là une étude menée toujours par Santé publique France, euh, donc, une personne atteinte de rougeole peut contaminer jusqu'à 15 à 20 personnes. Quelles sont les complications de cette maladie, docteur Tout d'abord, c'est des complications d'ordre respiratoire. D'abord, elle peut entraîner une rhinopharyngite, donc euh, une angine, qui est une inflammation de la, de la gorge des amygdales, et une bronchite et aussi une pneumonie. Et les complications peuvent être aussi d'ordre neurologique, donc à type de troubles de la conscience, à type de convulsion, et à type de paralysie, voire de coma, donc pouvant entraîner la mort. Donc c'est une maladie qui est vraiment dangereuse pour les nourrissons et pour les, personnes du troisième âge. Alors, comment prévenir la rougeole Donc euh, pour prévenir cette maladie, le vaccin est la meilleure des solutions. Donc une vaccination systématique des enfants donc associé à une vaccination de masse. Le vaccin anti-rougeoleux, il est très efficace et il est peu onéreux. Et donc euh, le vaccin est souvent associé au vaccin d'autres pathologies telles que la rubéole ou peut-être celui des oreillons. Docteur, est-il possible de guérir totalement de cette maladie Oui, la guérison est possible. Donc il n'y a pas de traitement antiviral spécifique pour la rougeole, mais quand même une prise en charge clinique appropriée permet d'éviter les complications que nous avons citées plus haut. Et donc, euh, il s'agit entre autres de bien nourrir le, patient et d'apporter, comment dirais-je, un apport hydrique suffisant, donc d'adjoindre un traitement euh, contre la déshydratation, donc euh, en utilisant les sels de l'hydratation orale pour pallier la perte des, liquides et autres éléments essentiels donc occasionnés par la diarrhée et les vomissements. On peut aussi prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection, les infections oculaires et, auriculaires ainsi que les infections pulmonaires donc occasionnées par euh, la rougeole. Donc il faut aussi administrer à tout enfant diagnostiqué de rougeole donc deux doses de complément vitaminique A dans un intervalle de 24 heures. Donc première dose, intervalle de 24 heures, la deuxième dose. Donc car il faut noter que la rougeole euh, entraîne un déficit en vitamine A. Merci bien Abiba. Mariam, tout d'un coup, l'émission prend une couleur girly. Vous l'avez compris, c'est l'heure de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Et eh oui, Bibi, la rubrique rose de ce mardi 11 avril 2023 nous parle de quelques astuces beauté et santé. D'abord, nos chroniqueuses nous parlent de comment les filles Touareg prennent soin de leur visage. En tout cas, elles sont sublimes. Comme toi, Mariam. Merci, Bibi. <laughs> Également, nous saurons combien le sommeil est important pour notre santé physique et mentale. Pour plus de détails, écoutons Rukayatou Abdraman, Maria Madé et Fanta Shamsou pour quelques conseils. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir les filles, c'est Mariam. Je fais découvrir deux produits utilisés par les femmes targui pour avoir un beau visage. Puis dans l'espace santé et bien-être avec moi Ruki, vous allez découvrir comment la qualité et la quantité du sommeil impactent notre bien-être. Enfin, en cuisine avec moi Fanta, nous découvrirons quelques astuces qui facilitent la vie. Coucou les filles, c'est Madame qui revient. Ce soir, nous allons parler d'une astuce traditionnelle qui utilise les jeunes filles, surtout les filles Touareg. Il s'agit du bienfait du curcuma et d'un tissu teinté d'une teinture spéciale sur le turban. Ces deux astuces sont utilisées en gommage pour hydrater en profondeur le peau sèche, facilitant le nettoyage des cellules mortes pour que notre peau soit encore plus éclatante et lumineuse dans les occasions spéciales comme les mariages, baptêmes et j'en passe. Écoutons Mosouda Jahar, une jeune fille qui tient un salon de coiffure à Agadez qui nous donne plus de détails. To su wannan kayan gyaran jiki ya kunshi wani abu da ake ce ma magina. Magina kirkima kenan da harshen turanci. Magina nan ce muke gyarawa muna haɗa ta da abubuwa wanda suka shafi eh, kaya irin na gargajiya kamar su turkuɗi wanga wanda muke sawa da duka dai abubuwa wanda dai suke gyara fata da su ne muke haɗawa ciki muna shahawa a mu. Tabbas wannan eh, babbar kariya ce musamman ma ga mata wanda suke zuwa kamar biki in zai hidda ka haka cikin rana ka taiwar wata sabga kana iya ka shaha wannan maginar ta Mais attendez les filles, personnellement le tissu là, je trouvais ça salissant. Je savais pas que euh, ça pouvait avoir des vertus sur sur les fauteuils, tu vois, ça laisse des taches, euh, mais quand même avoir des vertus sur la peau. Ça c'est vraiment. c'est une découverte. Merci Mariam. Ah, pas de quoi. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'espace santé et bien-être et aujourd'hui nous allons parler de l'impact de la qualité et de la quantité du sommeil sur notre santé. Savez-vous que le sommeil d'une durée et d'une qualité adéquate améliore l'attention, le comportement, la mémoire et l'état général de notre santé mentale et physique Je ne sais pas si vous le savez, mais on va le découvrir. Il aide en outre l'organisme à maintenir et à réguler plusieurs fonctions vitales. Mais quels sont les besoins de sommeil en moyenne, un sommeil de qualité dure 7 à 8 heures entre 23 heures et 7 heures et l'endormissement prend un quart d'heure. Que se passe-t-il si l'on manque de sommeil L'insomnie chronique peut avoir à long terme des conséquences irréversibles sur la santé. Elle peut entraîner une diminution des capacités cognitives et intellectuelles. Cela commence par un déficit de concentration, une perte d'intérêt et de patience. Puis la moindre tâche quotidienne devient ardue. Le manque de sommeil entraîne aussi une irritabilité et une agressivité quasi constante. Ça, les filles, on le constate euh, sur les de travail. Tout le monde est sur les nerfs, on te parle, on crie, là, on crie, on se crie dessus. Mais qu'est-ce qu'un sommeil de bonne qualité votre sommeil est de bonne qualité lorsque vous dormez la majorité du temps quand vous êtes au lit, au moins 85% du temps total au lit. Lorsque vous vous endormez en moins de 30 minutes, lorsque vous vous réveillez au maximum une fois dans la nuit et lorsque vous vous rendormez au moins 20 minutes après s'être réveillé la nuit. Donc euh, voilà, c'est tout pour euh, l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui. On passe à l'espace cuisine. Coucou les filles, place à l'espace cuisine. Si vous voulez éviter que votre riz ne colle, mettez une tranche de pain dessus après la cuisson. Le pain absorbe l'humidité et vous obtiendrez un riz non collant. Et enfin, une petite astuce que je tiens à partager avec vous, c'est celle des gouttes d'huile. Quelques gouttes d'huile dans la marmite, frire légèrement le riz. Vous pouvez même ajouter de l'oignon et du poivron coupés en dés pendant la friture pour parfumer votre riz et ajouter de l'eau à un peu plus de la hauteur du riz, puis laisser cuire. C'est tout pour la rubrique rose. On se prend la semaine prochaine pour d'autres astuces cuisine, santé et bien-être. Merci les filles pour vos astuces. BP sur le nord du pays, plus précisément à Agadez, où une association des jeunes de la région a entrepris des actions de bienfaisance à l'endroit des malades du centre hospitalier régional. Des dons de divers produits, dont de la nourriture et des fruits, leur sont distribués. Un geste salutaire, estime les agents de santé et accompagnateurs des malades. Reportage de Tila Amadou. Bayan bi ɗaki-ɗaki na marasa lafiya tare da basu wannan abinci mai gina jiki, majinyatan sun ji daɗin wannan ƙoƙari na matasa tare da fatan sauran mutane za su yi koyi da su domin akwai marasa lafiya da dama da basu da halin cin abinci mai ƙara lafiya. Dan uwanka ne bai da lahiya ka tausaya mishi shi kanshi ko yana jin wata matsala ga jikin shi yadda an kula da shi kenan wani rashin lahiya sai ta mishi ya ji sauƙinta. To mun gode da kokarin da kuka yi wannan kuka zo mana nan wallahi mun gode muku sosai wallahi kamar eh. wannan abubuwa da suka ka abubuwan da kuke bukata wannan muna bukata da su wallahi sosai an gode musu matasa wallahi sosai alhamdulillah matasan kungiyoyin dai daban-daban ne suka haɗe wuri guda don ba da taimakon su ga marasa lafiya da ke kwance babbar asibitin jihar Agadez taimakon da ya haɗa da kayan marmari da kuma yin addu'o'i na neman lafiya ga 'yan malatin taimakon kuma da shugabannin babbar asibiti suka karɓa da hannu biyu madan Diop Hajiya Umma ɗaya daga cikin shugabannin babbar asibitin agadas cewa ta yi wallahi yau sahiya ce ta wayo na gamu na ga alheri alheri da ya gamsar da ni alheri da ya burge ni yara kankana suka tana dan malati su kawo musu vitamin wannan shine ake cewa vitamin yanda aka yaran suka samu husa'a suka yi wanga abu da su samu lada sai in ce Allah ya saka musu da alheri wani sauran matasa ma su yi koyi su kuma manya kuma su tashi su shigo likita su san da akwai marasa lahiya rashin lahiya tana bukata abu da yawa suna da ƙarfi bakin gogudan su kuwa in an gangama an tattara ana samun abin da za a yi taimako sai a zo a zo a ga dan malati a mai alheri kulawa a zo a ganka ma a maka hira wata kulawa ce shi ma matasan dai sun yi wannan taimakon ne don ganin walwalar marasa lafiya tare da fatan samun lafiya in ji shugaban wannan tafiya ta matasa Isa Amadu tunan wadda muka yi da su zai sa akalla wasu bisa kaso hamsin su samu jin daɗi kenan an likita ta kawo kashi hamsin kun ga da za su samu su ta gida mun zo saboda solidarity saboda haɗin kai saboda ci gaban ƙasarmu ci gaban al'umma. Wannan taimakon na abinci mai gina jiki ga marasa lafiya da ke kwanta a babbar asibitin Agades ya zo daidai lokacin da 'yan malati ke da buƙatar shi duba da yadda wasu 'yan malatin ke gagara samun abincin sabili da tsada. Tila Amadu daga birnin Agades a jamhuriyar Niger. Eh, Mariam, je crois qu'on nous signale Tila au bout du fil. Allô? Oui. Alo, Alo Sila ina kwana? Wa alaikum salam. Alo, an tashi lafiya. Lahiya lau. Ya azumi. Azumi da dama an gode ma Allah. To, Tila mun ji wannan rahoton ta gaskiya wannan abin da wa'annan matasan suke yi abin yana da ban sha'awa. To, muna so mu sani, wai eh, daman matasa irin wannan kamar kungiyoyin matasa sun saba yin irin wannan sun saba kawo irin wannan taimakon ne koko dai yaya ne? A'a, ni dai a sani na wannan shi ne na farko da matasa suka yi wannan tunanin. akwai hmm. matasa dai wanda suna yi kama suna ba da jini ga marasa lahiya haka amma dai su kawo abinci dai abu ne na farko hmm. kuma matasan sun ka gama hau suka haɗe wuri guda dukan su kama ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne suka game suka zama guda sai suka yi wannan tunanin hmm. to yanzu a ganin ki koya ne wasu hallo wanda suke buƙatar kawo taimakon suke iya bin hanyar da wata hanya ce suke iya bi don su biyo sahun kamar wa'annan matasan to kin ga kamar yadda in kin saurari ai akwai shugaba ta wannan babban asibitin ta agadis ta yi zance surveillance ta yi zancen cewa suna kira ga mutane mhm. kenan duk wanda ke bukata yi irin wannan taimako wanda matasan da sun kai suna iya kenan sai ka tuntubi babban asibiti ko kuma ka tuntubi kungiyoyi eh, hakan ga na matasa ko kuma ka zo abin ga ofishin eh, karamar hukuma ta agadis duk wanda mm. kake bukata in mata ne in samari ne in wane ne kake bukata duka in ka bi ta nan abin ga meri ta garin agadis za a yi gidi kinka inda ya kamata ka je ko kuma ka sai man can asibitin akwai shugabanni na asibiti ka je ka gane su ka kwatanta musu ga abin da kake so gashi gashi kenan sai su abin da sai su gaya maka yadda za ka yi. Ben voilà, Tila, merci. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter euh, un bon début de la, du troisième décade du mois béni de Ramadan à toute la population d'Agadez qui nous suit en ce moment. À très bientôt. Merci. Bye bye. Bye bye. Passons à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sahirou. Voilà Adam, euh, je crois bien que Adam, tu m'excuses, hein, je m'en mêle un peu les pinceaux avec euh, <laughs> mes papiers. Adam, la poche sport est consacrée à la plus prestigieuse Coupe d'Europe d'Europe des clubs, c'est ça Oui, Rabi, la Ligue des Champions revient ce soir avec les quarts de finale aller entre le Bayern Munich et Manchester City. Le Bayern Munich a remporté six fois la Ligue des Champions, tandis que Manchester City reste sur un échec en finale perdu face à Chelsea en 2021. Adam, demain, Chelsea se déplace en Espagne pour rencontrer le Real Madrid, n'est-ce pas Oui, Mariam, un remake du quart de finale de la saison dernière, où le Real est venu à bout de l'équipe anglaise. C'était dans une rencontre serrée, soldée sur le score de 5 buts à 4 sur les deux rencontres. Cette année, les deux équipes ne sont pas au top, avec un Real de Madrid qui a presque lâché le titre de champion, avec 13 points de retard sur le FC Barcelone tandis que Chelsea est plus que malade, actuel 11e de la Première Ligue. Les Blues n'ont aucune chance d'être dans le top 4 du championnat anglais. La seule chance pour les Blues de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est de la remporter cette année. Adam, parle-nous des deux autres rencontres euh, des quarts de finale. Oui, Rabi, ces deux autres rencontres sont certes moins attendues, mais tout de même historiques avec le Benfica qui jouera contre l'Inter Milan et l'AC Milan jouera le Naples. Trois clubs italiens, une première depuis 2006 et une équipe portugaise pour une place en finale. C'est rare ces dernières saisons. C'est tout pour aujourd'hui et bonne soirée de foot aux amateurs. Merci bien Adam, on se dit à très bientôt pour une autre page sport. Mariam, notre rubrique portrait est bien rythmée aujourd'hui car notre star du jour est Adam Moutahirou Hassan, connu sous le nom de Petit Kanchari et un joueur de calebasse dans une troupe artistique Peul appelée Danke Danke. Aujourd'hui, âgé de 54 ans, Petit Kanchari nous parle de sa carrière au micro de notre reporter Omar Hamma. innde am amadou tayour hasan ka noon no woodi inɗe dekaɗe no yimɓe pamirta ko ka mawɓe arande ɓe ɓe jardata ko innude ɓiɗɗo aran godan inde koɓe dekan ɓe mbiya kam ɓooyijo sakiraɓe ɓe gollidanmi hewɓe du no anditira kam peti kancari ka kancari o kay yo inditirede ni jeyaka ton joni noon lamɗo subahanahu wa taala so waɗi hunde fof goɗɗo wawa ittude hano nigér ga jaati nano e ñaamo fo nigér ga ɗum wonno inna e baaba ka jonde joƴƴini min kancaari fa allah waɗi puɗɗum tokkude fijoɓe puɗɗunom tokkude fijoɓe tan heddina mbiya kam peeti ɗum wonno yimata paate allah yaafo yimata de min sukaɓe ɗiɗon sini o wii petini min ɗiɗi fo min noto goto o huseyni amadou wiyeten fiya bobliya so wii petini min fo min noto fo wiya mo kancaari o mbimi an kanko du won kiniji ɗo yartani wiye e fraga no e bawñoje ɗe somo hajanirde kam fa o noddi peti min ɗiɗo fuu min nota sono min nootake ni wiya ha peti kancari min wala ya pharmacie sodanoa kam nden poɗɗum yiide ɓoɗe ɗen ɗon ka sono sodoy no wiya kam merci diallel mi yettima lamɗo wam kocca million ko e cooda almeti ɓuuɗi joyi ley ɗon ko heddi ɗum majja allah o jeelgo miɗen toholnduro kam to madalla a haali a wi yimoɓe tokkata ɗum woni gollal ma nder tokkol yimoɓe ngol wallahi gollal am piiɗa kakol o mbiya tummude mi wala fu min ka ko mbawmi inditirde golle am ele banggal fijoɓe kasi wona piiɗa kakol duuɓi foti gaɗɗa ko puɗɗoɗa piyol kakol wodana duuɓi woygu e nayyi ele woygu e nayyi o capan tati e ɗiɗi fuu ele golle kakol gonum inchallah sabu illam cukale pamare sorki harka on no wela kam min o waɗa nonda nonda miɗo nileno ni fa ngalum puɗɗumi piiɗa kakol ngol de ɗum waɗi ko cuɓiɗa piiɗe kakol ayyo ɗum ɗo no woodi maanda allah e gorko mo won piyo kakol sanne miɗo huyana ɗum sanne wi'i lengel borbende kakol makko ne wela kam sanne so miɗen jeeya hono daɗɗo fo ɓirduɗɗe min jeehi fa dawe ɓiren hoore wuuro ɓe ɗen ko koɗen goto muɗum hippa min ka gasetti ñiwanta ñoƴƴe tan no yima miɗo tokkiti ay min ka on piiɗe kakol muɗum weli kam faa miɗo tokkiti ɗum fay ko wawa hewtude ɗum du miɗo ñemmina ɗum fa joni ni min ka kam ñemminanmi ayni jatuwora nder golle ma ɗe ɗum woni nafakka ko keɗɗa nder mum mi heeɓi salne par ce que mi anndama ele golle o mi dewli ley muɗum mi rimi ley muɗum mi heeɓi nafakka faa heewi par ce que no woodi fay nokku kokkuɓe kam ɗereji nokkuji dogo karal bate e golle am o jii kam e muɗum jiɗi kam e muɗum moƴƴani ka sikka dow leyɗe ɗe fof ɗum yaɗa ko mbiɗa peti kancare sa hawde e fulɓe ɗiɗo na tata fo wooda mbiɗa a mbiɗa anndi o nawi a walla miɗo mata inde makko ay ɗum du fof keɓa ay inde annde o ɗum mbiɗa anndi so wartinde batte jawdi am ɗum heɓatano ɗum troppe yimoɓe oyo puɗɗirɗa fiide kakol inchallah mo puɗɗum fiide kakol gaɗa mo isa hamidou wiyete sikiraɓe hewɓe mi andtira ɗum lawñel wattakana jande kobaje puɗɗe famille yiya ɗum faa ɗum wela kam ka de ɓe kirata no wuuro yunsa bolfi soɓe gari fo ɗon ɓe jippoto min wiyama koƴe jonka tumude moɗon jo garbinomo fof somi kasake tumude am sayto yettam tawa ɓe jooɗi ɓe pijja tan fewtam jooɗo seni hiiro hanti fa ɓe ngari ɓe dilla e koyɗe nde yehete wona mobilaji hakkude on e kunari so ɓe dillini mi hookitoɓe tokkaɓe ɓe jeeyi kan tan ɓe jiiwa kam ka hew mabɓe ne tawa joni ay lawñan o ka heddaki mais kam heddiɓe ka foof ana gonɗon fa joni ko tawmi ɗum ɗo heƴƴi kam ga foof goto wuuro amin kan to ne gotonom tan potodiri mi nani wiya yimata wari no woni suud faami na tummoɓe n jehum tokkumi ɗum gaddumi e muɗum lebbi tati sakiti joƴƴitimi gartum wuuro gartum wuuro ko dillingu jonka direct gaɗum gartum ga ɗum wonɗen joni en kaala niger ga garu ɗum joɗimi ɗo lawñel illa jooɗinom ɗo lawñelde jonka hay fa ɗum laati ni wonno ɗum laatake gueɗu am le hen miɗo nemo ley hen jaati inchallah caɗale urɗe he gonɗa aɗa hawrana kawruɗa nder golle maɗa a golla walangal wala saɗorma walangal wala koyegal ñande gomma ka neɗɗo fo woni e gollal wooda ñande yi keɓal e maggal faa wiya kam tan yiɗa woodan du ñande yi koyenam faa wiya kam ka si anndu no fuɗɗayno ka alhamdulillahi saabu so wona batte golle am o mi jippintake le hôtel ay won du mo jippanto a wiya kam ka yiɗa ɓe ay taweede du na waɗa ɓuri noon ka gam a wari nokku mum ɗo welayi ɗum ni wadden haal ɗin haalaji ay duniya le noon ni yarata sako inchallah to noddegal ngal e gatta yaade e sukaɓe ummatore laatiɓe hannde ngala no jiɗi tokkitade finatawaji nimɓe a wala fof ko waddi jammore se wona ɗemgal ɗemgal kam waddi jammore neɗɗo soni indi jammore anɗe hoorema a andan ko woni nde joom mbiɗa ɗum min mbiyata ɗo wi wallay kam ka nimani wiyete nde noon jammortoɗa nde indi taki fo anɗe hoorema welta saabu aɗa andi no darani hoorema neɗɗo fof yoppi ɗemgal muɗum hoorem ne yoppi ay ɗum ka Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs du Niger sur Kalango, depuis le début du mois béni de Ramadan, l'un de mes instants favoris dans cette émission, c'est la rubrique cuisine. Baby, toi et la bouffe, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Hein? Ben oui. <laughs> Bon, tu seras bien servi aujourd'hui. Nous allons vous dire comment préparer les beignets de graines de soja que nous appelons awara. Selon les spécialités, il est cuit à la vapeur ou frit puis assaisonné. Mais certains le consomment nature. Perso, je le préfère frit et bien pimenté. Notez que le awara est très populaire dans certaines localités du Niger. Bibi, calme-toi, tu gênes. Hein. <laughs> Okay, <laughs> Awa vrai. Ousmane est allé à la rencontre d'une vendeuse de Awara qui partage avec nous sa recette. kin yanzu ai lokaci ne na azumi mutane suna buƙatar abu dai hakan ga dai irin wannan da ba da dai nauyi hakan ba don wani rashin ci ko rashin sa ba kawai ne muka so waken sai mu zo mu yi in muka ci sai mu yi da daudar da ke ciki in muka yi da daudar da ke ciki sai mu zo mu zo mu sa cikin roba in muka sa kawa ba mu jiƙa da wuri kawa zuwa hakan ga ƙarye biyu hakan ga na dare sai mu sa ruwan ciki kenan zuwa saya ya jiƙa in ya jiƙa sai mu tai mu kai wajen markaɗe Ya kamar kaɗe sai mu zo mu sa ruwa cikin ya mu tace in muka tace sai mu hidda da sadda ke ciki sai mu zo mu aza tukunya in muka aza tukunya sai sai mu sa a ciki in ya tafso sai a sa ruwan yami wani bi in ka sa ruwan yami in yayi yawa sai wara sai ta yi kawa in za ka soya sai ta yi ta gata nan tana tsatsagewa tana gwadin ki na ruwan yami ya mata yawa in ruwan yami kun basu mata yawa ba sai ta yi tsaf in ka soya sai ga suya ta yi kyau eh akwai riba tunda ana samun riba tun amma in dai kai kake kawa ba kai kake yi ba kaiwa kake ana yi maka wani bi gaskiya ba samun riba wani bi kuma kana samun riba eh ina samu ina ma raga kuɗi yanzu tunda da yake aure ba irin yanka abu gaba ne miki yanka ƙadago ƙadago ne miki que la cuisine pour la rubrique Loti préparée par les femmes du studio Kalangu. Eh oui, Bibi, le loti de séjour traite de l'importance de la carte d'identité nationale. C'est un document administratif servant à justifier l'identité d'une personne. Aujourd'hui, certains citoyens ne connaissent pas l'utilité de cette pièce d'identité. Le duo choc qui a Arimi et Samira Roafi nous édifie sur le sujet. On les écoute. Matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji, matsukiji. Matsukiji. lale yar uwata kina lahiya ya ne ya hanya ina fatan dai kin kawo mana wasu abubuwa ko ke ki kara mani haushi kin shi yau ban zo da shi ba eh, Allah ya baki hankuri me ya faru wa ya sa ki cikin wannan halin koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa inda ma shi ne bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan to am shiga ruwa ki sha to ga mini me ya faru ina son in sha abin da ya saki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci Hm, uwa in na faɗi miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan yamai ba kya yarda ba a kan kowane iyakar gari na ce miki sai an sabke mu an tsaida mu abin bai birge mu ba ko kaɗan wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, don me yasa ake ji ku daga mota kuma a mai ku? Ko ko kun kwaso sayan kwaya ne cikin mota? Hm, a'a, wai kawai don saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti didantite. He ka ce dole ne ka yi shi haba ke ko yar uwata ai waɗanda sun kashi da ku suna da gaskiya tun da ke ga kun keta doka ai ai katin zama ɗan ƙasa dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta in dai ya kai shekara goma sha takwas wannan shi ne ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi don ba a sani ba abin da ke iya faruwa kariya kariya da mi kuma da wa cikin ƙasa ta fa nake wani irin abu ne zai same ni gaskiya ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku amma ina son ki san da wani abu katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana tara ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba goma sha tara na ranar ɗaya ga watan oktoba na shekara alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da hudu ke shahamun lahiya kin shigo kiri kika san komi in dai bisa kai ga ki ne kam na san abubuwa da yawa to tsada in gaya miki kin ga katin dan kasa tun da baki iya yawo da takarda aihuwar ke. wannan sauki ne da an kan muku abun da bisa takarda aihuwar ki shi ne ake rubuta bisa kan katin dan kasa don ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali kuma ki gani cikin wannan rashin samun kwanciyar hankalin da muke ciki kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba kai kai kai kai layi. Allah ya tsare mu kuma in wani abu ya same ki wani hatsari ko wani abu bani fatan shi amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma 'yan uwanki kenan haka ne yin wa'annan takardun yana da muhimmanci abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba To, kin gani kina da shekara goma sha tara. In kina son ki ta ki ɗauko wani saƙo ba ki iya yin shi in dai ba ki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko a aika ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin. Domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma ba kya samu damar cewa ba ba kya aiko mini wani abu ba dan ban ni da kati a gaskiya ina baki kwarin gwiwa ai dai zancen kuɗi ne nan da ne kike fahimtar abu ha na gane fa <laughs> ba ni ruwan nan kiga in amshi Merci les filles. L'émission du Niger c'est aussi de la culture linguistique. Et oui, Mariam, aujourd'hui, Maman Ada va nous parler de la vaccination. Bonjour, Maman. Bonjour Rabi. Aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination, comme tu le disais. La vaccination, c'est un moyen simple et sûr, efficace de se protéger des maladies dangereuses avant même d'être en contact avec euh, ces infections. C'est-à-dire, euh, c'est une prévention contre certaines maladies. Par exemple, au Niger, l'enfant dispose d'un carnet vaccinal dont il est recommandé de respecter pour son bien-être. À part cela, il y a aussi les vaccinations de masse que les autorités sanitaires organisent en cas d'épidémie ou de pandémie. Vous le rappelez certainement de l'épisode de la COVID-19, il y a eu plusieurs vaccins qui ont été élaborés dans, dans le monde pour lutter contre la maladie. Mhm. évidemment, ce n'est pas toutes les maladies qui disposent de vaccins. Et se faire vacciner ne signifie pas qu'on ne va pas contacter la maladie. Cependant, en cas de maladie, il n'y aura pas de complications. Et mhm. kun shi abin da shaushawa shaushawa da hausa shaushawa ake cewa mm. ana shaushawa ta jama'a kamar wadda ake yi lokacin wato polio ana yin shaushawa ta jama'a kamar lokacin da aka yi cutar covid-19 haka kuma shaushawa tana da muhimmanci ga yara kankana domin tana kare su daga dukkan cututtuka a lokacin da suke tun daga jariri har zuwa shekara ko biyar haka daidai wannan shaushawa tana da kyau a rika ma yara To, Maryam Ada, uh, Maryam Ada, <laughs> Mama Ada, <laughs> Mariam. Chers auditeurs, vos messages de soutien nous font un bien fou. Bibi, écoutons quelques-uns. Nuna Sha'ibu Ibil a Gadez. Harkar kalangu muna jin dadin ta kwarai saboda Eh, suna kayatar da mutane al'umma na karkara bisa kai ga abubuwa waɗanda dama al'umma suna nan kura mai bisa kai ga wannan abu mai amma ita kalangu yanzu ta zo da waye kai bisa kai ga al'amura na al'umma na karkara tana waye musu kai bisa kai ga abin da su gane ba yanzu suna nan suna ganewa abubuwan nan kaɗan-kaɗan mai amma lalle ita kalangu ta masa saboda yau suna rukuwar laburuka na wurare daban-daban yanzu gani nan ina magana da wunduti yanzu sai a je abin da nika yaba a kalango yanzu duk duniya sai ta ji a nan a kasan mu ta nishar duka da inda sun kasa ko ina sai a ji yau abubuwan nan mu muna nan mana jin dadin su kuma su kara matsa bisa kai ga wannan abu dangance da al'umma tana nan tana sararin su a kowane lokaci ina gaida mutanen kalangu ina yi musu fatan alheri muna gaida su kuma muna gaida rediyon mutanen tanan dogon duci sunana shafa'i ya tawa gaskiya muna sauraron studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryensa gaskiya yana birge mu yana da kyau ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum na ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna bakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare a matsayin na na mai sauraren radiyo lokacin wannan cdo in yayi ina kamo shi saboda harakan mu ce ta yaran mu uwayen diya kuma na hidda kai duka ma musulmi dai kowa na karuwa to saboda haka ni ma ina sauraren shi ina cinta abubuwa daga ciki na karuwa saboda tunda shiri ne da ake yin shi yana faɗakarwa yana waye kan mutane kuma al'amarin nan mutum da yawa na karuwa da shi kuma mu ma muna sauraren shi matsayin mu na manya uwayen diya kuma alheri ya shige gaba kuma muna fatan Allah kara hasken kwalwa kuma al'amura su yi ta ci gaba a kara ilimi da yawa ana faɗakar da mutane mu da shirin da suke duka dai wanda aka faɗi ba na shirme duka duk wanda aka faɗi inda an faɗi da harshen Hausa muna ji kuma da abin da aka faɗi dai daga ciki Allah sa albarka eh dai akwai wanda za a ɗauka a yi aiki da shi ko babba ko yaran duka akwai na karuwa ciki eh tunda kuma duk wani abubuwan ba ka sanin shi sai wurin su su banyana da shi kuma muna jin shi suna haɗi daidai fatan da muke Allah sa a yi aiki da abin da aka ji na karuwa wanda kuma aka ji ya zama yawa kuma sai a yi kuma haƙuri da shi eh bare dai duka ma dai daidai faɗakarwa ce ake yi eh ana dai ƙara ƙasa ne dai abin da za a hidda ta eh Allah taimaka kuma ubangiji Allah ya ƙara ba da haske cikin al'amarin ina gaida kowa da kowa ma'aikatan cdo eh alherin Allah ya kai musu wanda eh, Le programme euh, Studio Kalanga, vraiment, les gens l'apprécient beaucoup, puisqu'il y a euh, ce qu'on appelle la rénovation. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Amis auditeurs de l'émission Le Niger sur Kalangou, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Accueillons à présent dans ce studio Rafika Atahel pour connaître les titres de la grande édition du soir. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment tu vas Ça va bien. D'accord. Pour euh, la grande édition de ce soir, euh, de retour de la Libye pour Agadez, 13 migrants de nationalité nigérienne qui se sont égarés dans le désert ont pu être secourus par des lanceurs d'alerte d'une ONG. On en parle plus en détail ce soir, comme je vous l'avais dit. Mm. Ensuite, nous parlerons du bilan des saisies de drogue et de personnes interpellées dans la période allant du janvier au 8 avril 2023 dans le département de Gaïa. Enfin, la partie magazine sera consacrée à la consultation post-natale et la vaccination des enfants adossaux. La FECA, c'est pas la grande forme, hein. c'est le carême. <laughs> Ben, bon courage, rendez-vous pour ce soir alors. Merci beaucoup. Chers auditeurs, pour final de cette édition du mardi 11 avril, on se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Rabia Mekano et Maria Madé. L'édition a été assurée par notre dame de fer Adam Dawaki et la technique par le big boss Kader Chambiano. Bye bye